forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. C'est un espace d'échange et de débat que vous propose le Studio Kalangou. Aujourd'hui, le forum est consacré au protocole de la CDAO sur le traité de la libre circulation des personnes et des biens dans les pays membres. Avec nous ce soir, M. Bizo Ibrahim, il est le chargé de la communication et de la documentation du Bureau national de la CDAO au Niger. M. Bizo Ibrahim, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Avec nous également Monsieur Raphaël Dadé Adamou, il est spécialiste des questions de la libre circulation des personnes et des biens. M. Dadé Raphaël Adamou, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également M. Chambiano Chebou, secrétaire général du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. Chambiano Chebou, bonsoir. Bonsoir. Au menu de ce forum de ce lundi 20 février 2017, le traité de la libre circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace CDAO comme le stipule le protocole signé en juin 1979. Les citoyens de la CDAO peuvent-ils circuler librement dans les pays membres peuvent-ils transporter leurs biens sans contrainte aucune, telle que la question principale à laquelle nous allons tenter de répondre ce soir. Avant peut-être de répondre à cette question, voyons euh, la réaction euh, recueillie sur place à l'intérieur du pays, notamment à Maradi. Il s'agit des ressortissants de quelques pays membres de la CDAO. On l'écoute. Je m'appelle Tairo M. Jonas. Je suis béninois, je viens d'arriver du Bénin. Bon, on a un peu de problèmes au niveau du pont Niger. Les policiers au niveau de faire arrêtement, en rentrant, sortant là, on paye 2000 francs. Au Bénin, voilà, en rentrant et sortant, on paye 500. En rentrant, on paye 500. Au sorti, on paye 500. Bon, c'est là notre problème. Et si vous ne payez pas Ils vont nous verbaliser. Ils nous demandent raccord, gonflage, secteur, triangle, tout, tout, tout, tout, pneuisés, ils vont te dire, pablis cassé. Or, au Bénin, ils sont côte à côte. Au Bénin, on ne nous demande pas ça. Au niveau des papiers, je veux dire carte d'identité, quand vous rentrez au Niger, on ne vous dérange pas avec ça Non, carte d'identité, affaire de carte d'identité, non. Mais on a toutes les pièces à jour. On a l'habitude de vous demander la carte CDAO avant de rentrer au Niger Non, ils n'ont pas l'habitude de nous demander ça. Nous, les chauffeurs, on ne sait pas les voyageurs, mais nous, les chauffeurs, on ne demande pas ça. Je m'appelle Cheb Abdou, SCG, syndicat ligne du Nigeria. Est-ce que vous et vos passagers, en rentrant au Nigeria, est-ce que vous êtes... Euh, non, non, il n'y a aucune tracasserie. Chez nous, les chauffeurs. Seulement, chez les passagers, parfois, ils le trouvent chez les immigrés du Nigeria. Mais aussi, ici au Niger, il n'y a aucune trafication. Il y a des moments, même si vous avez vos pièces, il y a des 20 nera, 10 nera qu'il faudra donner avant de passer. C'est ça Ici au Niger, tant que le passager a sa carte d'identité, il n'a aucun problème. Nous, les chauffeurs, tout le monde qui a ses papiers complets, il n'a aucun problème avec les autorités de la route. Même euh, ceux du Nigeria Non, au Nigeria, on ne peut pas dire ça, puisque au Nigeria, tu sais que c'est autre chose. Même si tu as tous les atouts, les 20 à 50 naira, tu es obligé de le donner à un agent de la route. Même si tu as tes papiers en Même si tu as tes papiers. Les 20 à 50 naira, tu es obligé de les donner. Et si euh, un Nigérien ou bien un Nigérien qui va là-bas, il dit il ne donne pas parce que bon, il a ses pièces et c'est la zone CDAO, euh, il a sa carte CDAO. Qu'est-ce qui lui arrive s'il dit qu'il ne paye pas On va le perdre du temps. On va le fouiller pour le perdre du temps. Hmm, c'est tout seulement. Donc dès qu'il donne ses 20 nerfs, il s'en va. Dès qu'il donne ses 20 nerfs ou 50 nerfs, elle va. Retour à présent à Niamey au studio Kalangou euh, pour donner la première euh, parole à Monsieur Bizo Ibrahim. Il est le chargé de communication de la documentation du Bureau national de la CDAO au Niger. Monsieur Bizo Ibrahim, vous venez là d'écouter les quelques citoyens et même quelques ressortissants des pays membres de la CDAO par rapport à la libre circulation des personnes et de leurs biens. Euh, quel commentaire cela suscite en vous? Bon, euh, bismillahirrahmanirrahim. Je dis que j'ai bien écouté ce que un des ressortissants du des pays membres de la CDAO vient de, dire. C'est un Béninois, si je ne me trompe pas. Il a dit justement, de deux côtés, il est chargé, parfois obligé de donner 2000, côté gauche, côté droite, sinon il sera verbalisé. Bon, ça, ce n'est pas une surprise. Mais les prévisions de texte de la CDAO sur la libre circulation, ont été adoptés depuis une vingtaine d'années aujourd'hui. Les pays ont ratifié, c'est-à-dire après la ratification, c'est normalement reconnu par tous les agents de frontières, de postes de police, les douanes, les hauts forêts les, la gendarmerie, tous sont avertis de ce texte en vigueur de la communauté. Bon, maintenant, vous savez, euh, ici en Afrique, nous pouvons toujours avoir des petits problèmes sur la question de la libre circulation, la question de, faux frais. Ce qu'il vient de dire. C'est quoi les faux frais Exactement. Ce qu'il vient de dire, par exemple, pour mentionner 2000 de l'autre côté, 2000 de ce côté, il y en a des, endroits là où c'est 5000 même on donne. Et c'est ça que nous, nous considérons comme des faux frais. Des faux frais parce que tout simplement, ils ne sont pas reconnus. Et c'est là où le bas blesse parce que les. les, Ibrahim ne sont pas reconnus. Mais pourquoi les policiers prennent euh, ces ces 2000 francs, 5000 francs sur la route Exactement. C'est un problème qui se pose aujourd'hui, dont nous sommes en train de résoudre. Après avoir déjà eu la base juridique de la libre circulation qui donne droit, le cinq droit des citoyens CDAO, qui est inscrit dans le protocole et de 79, ces cinq droits sont le, sont le droit suivant droit d'entrée, droit de séjour, droit de résidence, droit d'établissement et droit au recours à la justice communautaire. Ces cinq droits sont reconnus par tous les chefs d'État. Ils ont signé, ils ont ratifié. Bon, maintenant, si au cours du trajet, un camionneur ou un véhicule privé, un policier te demande cet argent, il ne va pas te fournir un, reçu. Toi-même, si tu es en règle, tu peux te débattre. Mais ce qui est sûr, la CDA a prévu ce texte et ils sont en vigueur. Maintenant, la question sur les frontières, le point d'entrée et le point de sortie, c'est une question que je dirais c'est dommage. Ça existe partout, mais on est en train de pallier à ces problèmes en essayant d'impliquer les agents. Les agents que je viens de citer, ces agents connaissent déjà euh, les, dispositions de, ce protocole euh, sur la, eh. sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CDAO. Exactement. Ils connaissent, leurs supérieurs connaissent, mais c'est une question aujourd'hui. Nous ne pouvons pas eh, déjà indexer X ou Y, mais c'est une question qui peut se régler toujours en rappelant ces textes en rappelant ces textes à ses autorités. Parce que c'est une question qu'on a toujours, qui est toujours revenue, qui fait toujours le problème des citoyens CDAO qui veulent passer librement. Ah, monsieur bizot ah, Ibrahim, on va revenir euh, vers vous. Le temps de donner euh, la parole euh, à Monsieur Dadé. Monsieur Dadé, vous êtes spécialiste des questions de la libre circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace CDAO. quel commentaire ces réactions vous inspirent Bien, je vous remercie. En suivant donc à celui qui vient de nous faire comprendre qu'il y a des faux frais qui sont imposés au niveau des frontières. Malheureusement, c'est exact. Le protocole sur la libre circulation des personnes et des biens qui a été adopté euh, le 29 mai 1979 par les chefs d'État sur la libre circulation des personnes et des biens. Eh bien, les chefs d'État ont demandé à ce que des cellules nationales, soient créées, installées de chaque pays. C'est le cas du Niger. Et cela, c'est pour mettre en évidence ou en marche la vulgarisation de ces dispositions sur la libération des personnes et des biens. Malheureusement, nous avons au niveau des postes frontaliers, que ce soit Niger, Bénin, Niger, Nigeria, Niger, Burkina ou Burkina Mali, Burkina Côte d'Ivoire, les agents chargés du contrôle routier et du contrôle au niveau des frontières ne sont pas renseignés, ne sont pas au courant de ces dispositions pertinentes. Mais tout à, tout à l'heure, euh, Ibrahim Bizot disait que ces agents sont en parfaite connaissance euh, des textes euh, régissant ce protocole de la, sur la libre circulation des personnes et des biens. Je suis parfaitement d'accord. Mais cette connaissance, à mon sens, reste au niveau des responsables centraux. Mais les agents qui sont sur le terrain n'ont pas été formés sur ces dispositions-là. Ou bien c'est une complicité entre ces agents et leurs patrons euh, Je ne dirais pas, non. Mais tout ce que je sais, de par l'expérience qu'on a sur le terrain, ces agents de police, de, gendarmerie et, de la douane ne sont pas imprimés sur ce texte-là. Raison pour laquelle au Niger pour essayer d'informer et sensibiliser et la, population et ses agents chargés de contrôle du contrôle routier au niveau des frontières tous les jours, il a eu une décision du ministère des Affaires étrangères qui a demandé à la cellule eh bien, d'entamer une, première caravane nationale d'information de sensibilisation à tous les niveaux. Et c'est dans ce sens que la première caravane a sillonné la région de Zender et de Maradi, avec des conférences et débats en langue et et en français, pour dire aux populations, quand vous voyagez, voici les documents de base qui vous sont obligatoires pour franchir tel ou tel pays de la CDAO. Ce sont le carnet de voie CDAO ou le passeport, le carnet international de vaccination pour celui qui entre dans un camion de transport de passagers, pour celui qui est dans son propre véhicule, en dehors de ces deux documents, il doit présenter la carte brune d'assurance CDAO. Pour les éleveurs transhumants ou les exportateurs de bétail sur pied vers le Nigeria, le Bénin, le Togo, eh bien, il leur faut, en plus de ces, deux, de ces pièces-là, avoir un euh, carnet international de vaccination pour leurs animaux. Donc, tout celui qui respecte cela, il franchit aisément la frontière selon l'expression du protocole Monsieur Raphaël Dadi Adamou, vous avez organisé plusieurs euh, caravanes euh, euh, sur toute l'étendue du territoire national. Mais jusque-là, le phénomène existe. Les policiers, les agents continuent encore de prendre 2000 francs, 5000 francs, et ainsi de suite. Oui, raison pour laquelle au Niger, on est sur le point d'entreprendre la formation de tous les agents placés et chargés du contrôle frontalier. Ils ont besoin de formation. Ils ont besoin de connaître ces différents documents exigés à l'usager. Si nous pensons qu'une fois que ce séminaire a lieu, qu'ils sont au courant de tous ces documents, là, nous espérons que ces faux frais vont disparaître. Raphaël euh, Adamou, on va revenir vers vous le temps d'aller vers euh, Chebou Kembiano, qui est le secrétaire général du syndicat des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. Monsieur Chebou Kembiano, euh, la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CDAO, un mythe ou bien une réalité euh, je vous remercie, en tout cas euh, le studio Kalangou, de nous avoir euh, invités pour que nous puissions édifier l'opinion nationale et internationale par rapport à un problème crucial et qui tout le monde le sait. véritablement, il n'y a pas une libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CDAO, en toute franchise lorsque vous prenez l'exemple peut-être même des personnes, au niveau, je vais donner un, exemple, au niveau euh, du pont de Malanville, où les gens sont déchargés. Ils sont déchargés et ils sont en fil indien. Et qu'on met des barricades pour les empêcher de traverser. Et au finish, ils sont en train de rançonner. Si vous avez c'est peut-être c'est pour euh, contrôler les papiers des, des, des passagers. Non, euh, même étant menu de votre pièce d'identité, si vous avez une carte d'identité, vous payez 1000 francs. Si vous avez un passeport, c'est 500 francs. Au niveau de quelle partie La partie nigérienne ou bien la, euh, partie, la partie béninoise La partie béninoise. Et de l'autre côté, ça euh, comme je suis peut-être, euh, comme je suis nigérien, bon, moi, j'ai pas été en tout cas victime. Mais de l'autre côté, on a toujours euh, tenté. Il y a des moments je donne, il y a des moments je, je, je, continue. On crie, mais je reviens pas. Donc, véritablement, l'intégration l'intégration n'est pas là. Et lorsque un pays comme le Nigeria refuse l'intégration, Aujourd'hui, même nos marchandises eh, n'ont pas le droit de passer sur les frontières. Il faut que ça passe par les ports ou les aéroports. Donc, le Nigeria s'est renfermé. Et nous, nous nous sommes dit, la CDAO ne joue pas pleinement son rôle. Est-ce que c'est parce que c'est le Nigeria ou bien c'est le Nigeria seul eh, qui ravitaille eh, la CDAO Mais pourquoi on ne tire pas l'alerte. Il n'y a pas que le, a pas que le Nigeria euh, dans l'espace il y a où y a le Burkina Faso, il y a euh, la Côte d'Ivoire. Oui, euh, il y a la Côte d'Ivoire. Quand vous prenez la frontière entre la Côte d'Ivoire et, le et le le Ghana, également là-bas il y a de l'arnaque. Quand vous prenez, vous venez au niveau d'Aflao, la frontière Bénin-Ghana et, Togo-Ghana. Il y a même des douaniers qui vont vous demander euh, des pièces d'identité. En Côte d'Ivoire, à l'intérieur même, vous allez trouver euh, euh, des agents des eaux et forêts qui vont vous demander des pièces d'identité. Or, on sait le rôle là est révolu à qui. Et au Niger, le Niger a voulu, en tout cas, diminuer cette tracasseries en adoptant un arrêté interministériel qui ont été signés par cinq ministres. Il y a le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre du Commerce, le ministre de l'Environnement, et le ministre des Finances, pour dire et il n'y a que trois postes de contrôle. Monsieur, le poste d'entrée. Monsieur est-ce que vous, avez euh, à maintes reprises euh, participé à des rencontres nationales et internationales par rapport à la libre circulation des personnes et de, leurs biens Est-ce que cette problématique a été a été euh, suggérée par les participants au niveau des rencontres Au niveau des rencontres, moi dernièrement le 12 mai j'étais à Abuja quand j'étais à Abuja par rapport au tarif extérieur commun, qui n'est pas également euh, véritablement de mise, parce qu'il y a d'autres pays qui refusent l'application. Et j'ai posé véritablement le problème euh, de la non-intégration euh, du Nigeria. Parce que le Nigeria, bah, il ne faut pas se leurrer la face, mais moi je ne sais pas pourquoi même nous aussi on ne va pas faire vice-versa, puisque le Nigeria empêchait nos marchandises de passer par les frontières. Mais vous allez voir des gens du Nigeria qui vont jusqu'à Ayoru, payer des bétails et ils viennent. Aujourd'hui, c'est eux qui vendent les bétails au Niger, c'est eux qui vendent les poules, les pentates au Niger. Mais nous, on nous refuse la pièce d'identité d'un véhicule. Si vous rentrez par Sokoto, par exemple, à Ilela, si vous rentrez par Ilela, vous serez obligé, même si vous êtes parti à Onika, vous serez obligé de revenir à Sokoto, parce qu'on vous récupère toutes les pièces. Donc, où est l'intégration On va revenir vers vous, Chebou Chembiano, le temps de donner la parole à, M. Bizo. Euh, Bizo Ibrahim, euh, qu'est-ce qui a conduit à la signature de ce protocole Premièrement, euh, ce protocole, avant d'être institué, d'abord, on a connu le protocole qui n'a pas été révisé, le premier, qui avait un soutien, qui a décrit la vision première de la CDAO, c'est une intégration économique à l'époque. Maintenant, en, 1975, ça c'est le protocole. Le révisé en 93 a été révisé à Cotonou, qui nous a permis maintenant d'intégrer le côté juridique de la, de la libre circulation. Aujourd'hui, on parle de la libre circulation. Justement, on a fait beaucoup d'efforts dans ce sens. La CDAO a fait un rôle très très très très largement apprécié dans le monde entier. Nous sommes en avance par rapport à, beaucoup des organisations eh, sous-régionales comme la CEMAC et le reste, en termes d'intégration. Mais le problème qui jalonne eh, quelques, quelques clashs avec justement les commerçants, les migrants, travailleurs et consorts sur cette question de libre circulation de personnes et de biens, c'est justement une question de la non-application soit tantôt, comme disait Raphaël dans, son, intervention, soit à la méconnaissance des textes par les agents qui sont les moins gradés, qui sont sur le terrain, soit une mauvaise volonté, moi j'ajoute, d'appliquer parce que ça profite à certains. Donc les mesures sur lesquelles je pense, je reviens vers euh, Chambiano, M. Chambiano a parfaitement raison, tout ce qu'il a dit, moi-même j'ai eu l'écho, on a fait des visites, on a constaté cela. C'est une réalité, mais il y a un rôle à jouer aussi du côté des syndicats, un rôle à jouer du côté des voyageurs eux-mêmes, un rôle à jouer aussi du côté des migrants travailleurs qui veulent passer les frontières. Tant que tu sais que tu es en règle, pourquoi donner de l'argent ça, je, rappelle le rôle de chacun. Pourquoi donner de l'argent Même s'il faut perdre une journée, vous faites une journée aujourd'hui, bloquez tout, vous ne donnez rien parce que vous êtes en règle. Et il n'y a aucune justice qui va vous emprisonner. Si vous tirez jusqu'à la dernière minute, vous aurez raison. On va vous laisser passer. Donc maintenant, ce rôle qu'on attend de l'autre côté, c'est ça qui renforcera les mesures actuellement que la CDA est en train de prendre. Mais sans oublier l'aspect sécuritaire aujourd'hui qui vient euh, de, de, s'introduire dans la libre circulation. Et cet aspect sécuritaire, c'est ce qui explique certaines divergences de certains pays qui empêchent, en vérifiant tout, même si tu as des papiers, il faut qu'ils vérifient le bus. Mais, le, mais le, contrôle, euh, le contrôle est euh, différent du, de, de, la raquette oui, la raquette, comme je viens de le dire, je reviens vers le faux frais. La raquette, c'est une question qu'on peut bel et bien résoudre. Si, une fois que chacun joue son rôle, les textes sont là, la CDAO a un rôle à jouer, à compléter dans la sensibilisation. Comme disait Raphaël, il faut qu'on fasse des campagnes. Parce que les agents qui sont au niveau des frontières font savoir qu'ils ne connaissent pas les textes. Même si c'est une ironie, on le verra. Parce qu'on va faire une campagne, on continuera à faire des campagnes pour cela. Monsieur Bizo, Biso, Ibrahim, on va revenir vers vous, le temps de donner la parole à Raphaël Dadé. Euh, Raphaël, euh, vous avez organisé pas mal de caravanes. Pourquoi ça ne marche, pourquoi ça ne marche pas Nous euh, n'avons pas, nous sommes en train, de poursuivre les caravanes. Nous venons de commencer. Il y a une première caravane nationale en 2012 une deuxième donc, qui a fait Maradi et Zender, une deuxième en 2013 qui a, fait donc Gaïa et Koni, une troisième caravane qui a fait donc Benin Gauri, Dogonduchi, Madarouf et Ben Issa. Et nous allons poursuivre ces caravanes parce que la, la population a besoin d'être informée, elle a besoin d'être sensibilisée. Donc partout où nous passons, le message c'est quoi C'est ayez vos documents de CDAO. Mais est-ce à dire que les, les, voyageurs n'ont pas de ces documents au CDAO eh, Ayez vos documents de CDAO, là vous n'aurez pas de problème. Mais malheureusement, nous avons des usagers qui pensent qu'aller chercher le carnet de voyage CDAO, aller chercher le passeport ou le carnet d'intention de vaccination, ça leur prend du temps, de l'argent, et les préfèrent au lieu de passer par des postes, par des entrées officielles, qu'on tourne la route euh, officielle en traversant des brousses pour atteindre l'autre côté. Ou bien, qu'est-ce qu'ils font Ils bravent les agents de contrôle. Ils vont sans pièces. Ils tombent sur les agents de contrôle. Que eux aussi, ils en profitent. Vous n'avez pas de pièces, c'est 1000 francs, c'est 500, c'est 2000, c'est 5000. Et, dans le cas où le, passager a, ses pièces complets, euh, complètes Dans le cas où le passager a ses pièces complètes, là, tantôt on le laisse passer, tantôt on le fait une sorte de chantage. Qu'est-ce que j'appelle chantage Une sorte de menace. Ah, tu as tes papiers en règle, mais tu ne passes pas. Nous avons eu un cas comme ça à Denissa. Un opérateur économique a été à la frontière. Il a présenté tous ses documents. Carnet national de vaccination, permis, et canot de, de, de, de Malgré tout, on leur refuse de passer. On l'avait demandé, je ne sais pas combien de Nera. Il dit, je ne donne pas. Je suis un règle, je ne donne pas. Ils ont tout fait, hein. Mais lui aussi, ne franchit pas la frontière. Il a préféré revenir à Maradi que de lui donner un sou. Est-ce que c'est pas. on lui a posé la question de savoir. Monsieur Raphaël, est-ce que c'est pas pour éviter la perte de temps que beaucoup de passagers préfèrent euh, glisser 2000 francs, 5000 francs pour passer Ça dépend des usagers, hein, vous savez. Les, intérêts sont, multiples. Les intérêts sont multiples. Ils pensent qu'en allant euh, euh, participer au marché de Magama en donnant les 2000 francs, ça leur permet d'avoir accès au marché du Magama et vendre leurs produits revenir. S'ils pensent que là-bas, ils n'auront plus de bénéfices, Raphaël, on va revenir vers vous le temps de donner la parole à, Chebu Chembiano. Euh, Chebu depuis 1979, 79, euh, euh les pays de la Syria ont ratifié euh, le protocole sur la libre circulation des personnes et de leurs biens. Pourquoi ça ne marche pas jusqu'à présent Vous savez, lorsque euh, vous êtes au sein d'un milieu, d'un groupe, c'est ça la CDAO. Vous ratifiez les conventions ou les accords, mais une fois chez vous, euh, vous, vous ignorez tout ce que vous avez signé. On a vu, euh, de par, en dehors même de, de, la CDAO, de la, un peu à un niveau supérieur, quand vous prenez eh, la CNICET, eh, on dit nous, pays sans façade maritime, normalement, nos marchandises doivent, et eh, ne doivent souffrir d'aucune ambiguïté. Malheureusement, on a vu des cas où même nos marchandises ont été dédouanées dans un même espace de dédouanement. Et vous savez, les agents, le comportement des corps habillés, c'est ça qui bloque véritablement l'intégration, leur comportement. Quelque part, c'est quoi, leur, comportement Quelque part, quand vous prenez, on, les appelle souvent des PDG, police, douane et gendarme. Et qu'est-ce qui se passe Lorsque vous descendez d'un véhicule, l'allure que mène le chauffeur pour venir vers l'autorité, qui est peut-être assis ou qui est peut-être assise, cette allure-là, et tout de suite, il lit sur le chauffeur. Parce que quand vous, vous êtes en règle, vous êtes pressé de venir vers la police pour remettre vos pièces. Si vous n'êtes pas en règle, vous marchez, vous marchez doucement et souvent vous tapez, vous tapez même euh, le feu rouge. J'arrive, j'arrive, <laughs> permettez-moi, vous tapez même le feu rouge, euh, soit disant que peut-être que. Mais tout de suite, il comprend. L'agent qui est assis il sait que vous n'êtes pas à jour et il va tout de suite procéder. Et il y a d'autres qui abusent, qui profitent de l'insécurité. Comme l'a dit, il a parlé d'insécurité. Mais il y a d'autres qui, qui profitent de l'insécurité pour mettre, eh, des barrières un peu partout. Et cela nous, nous amène à dire véritablement, quand on dit que les policiers, euh, euh, les, agents eh, ne sont pas informés, je pense que ils sont informés. La complicité, elle est grande. Restez avec nous sur Studio Kalongu. Notre débat a continué. Avant de, avant de passer à la deuxième partie de ce forum, on va écouter la réaction d'Elhaj Ali Haruna. Il est opérateur économique à Magria, région de Zander il y a des tracasseries, sincèrement. Un exemple, vous faites un restaurant au niveau des services de l'immigration. En plein pays, si vous traversez les États, là, vous trouvez encore des barrières des services de l'immigration qui vous harcèlent. Ils vous demandent les papiers, la CDAO, là, si vous n'en avez pas, vous êtes obligé de, faire quelque chose, de donner de l'argent, quoi. Et à défaut du passeport, on fait les papiers, la CDAO, on dit la CDAO, c'est un, mini-passeport, qui concerne les, les 15 pays de l'espace de la CDAO. Est-ce qu'ils prennent de l'argent? Ah, ils prennent de l'argent, ça, c'est sûr. Vous prennent de l'argent ou bien vous menace de vous faire refouler. Toujours euh, entre euh, le Niger et le Nigeria Oui, le Niger et le Nigeria. Mais plus précisément, maintenant, quand vous prenez de l'autre côté, parce que nous, on passe jusqu'à Lomé et Cotonou, tu vois, quand tu prends un exemple, il n'y a pas de problème entre euh, Cotonou et Lomé jusqu'à la frontière avec les Burkina. Les Burkina encore c'est la même chose. Il y a des tracasseries au niveau du Burkina Faso. Ils vous demandent l'arrestement, vous payez 2000 francs avant de venir à la frontière et quelque chose comme ça. Entre le Bénin et le Niger, euh, est-ce que ce ah. de tracasserie existe Bon, oui, ça existe, mais vraiment pas. Ce n'est pas, c'est pas élevé comme euh, je vous ai dit entre le Niger et le Nigeria et de l'autre côté le Togo et le. Qu'en est-il euh, du transport ou bien de la libre circulation de vos biens Bon, là, vraiment, tu viens au niveau de, c'est au niveau des douanes. Si c'est un véhicule que vous transportez, comme on dit les touristes là, donc vous faites les quittances à partir de, Cotonou ou de Lomé. Vous venez à la frontière, vous faites les formalités, et donc là, sur le bien, vraiment, les tracasseries sont moins vraiment visibles, quoi. Parce que vous êtes obligé partout où vous de donner quelque chose. Vous dites, nous faisons partie de l'espace de la CDA, ils disent, ah non, non, non, là, l'homme doit manger. C'est ça. Je me souviens, il y a deux ans de cela, là, on a eu à parler ils ont commencé à dire, à refouler les gens. Ah, vous dites qu'on fait des tracasseries dans votre, dans notre pays. Au niveau, c'est au niveau de l'immigration. Mais maintenant, je vais vous donner un exemple là, à l'entrée des canons. Mhm. Auparavant, ils ont une brigade là, qui sont là, qui sont en train de harceler les gens. Mais Dieu merci, on a vu les trois semaines là qui sont passées. Bon, vraiment, on a évacué le, brigade là. Si on refuse de payer, euh, donc ça veut dire qu'on est refoulé d'office Ah, mais ça c'est sûr. Vous-même, vous, n'allez même pas refuser de payer, c'est comme ça. Vous avez vos papiers en bonne et due forme, il faudrait que vous donniez quelque chose. Il faudrait que vous donniez quelque chose avant de passer. On peut estimer à combien par exemple Bon, c'est-à-dire si, si c'est le Nigeria, vraiment c'est la Nera. Vous pouvez donner donc vraiment entre 500 et 1000 Nera. Alors, euh, Raphaël Dadi Adamou, venez là euh, d'écouter cet opérateur économique, la Hajj Ali Haruna euh, de Myria. quelles sont les voies de recours en cas de, de, non-satisfaction par rapport à ces tracasseries Bien, ces tracasseries, moi je crois que ça gangrène l'ensemble des pays de la CDAO. Hein. Et l'idéal serait que tous ceux qui sont en règle qu'ils arrivent à la frontière, malgré le document en règle, on leur impose des choses, autant mieux revenir et alerter son autorité. Refuser de donner les faux frais et revenir, retourner, euh, et, prévenir son, autorité. Il y a, la, à ce niveau, il y a la partie de temps. Mieux avoir cette perte de temps que de continuer à se faire narquer. C'est la raison pour laquelle, au niveau du ministère des Affaires étrangères, le Niger est le seul pays à avoir accompli ou effectué trois caravanes d'information et de sensibilisation à travers son pays. Le Niger est le seul. Et on entend poursuivre ces caravanes d'information et de sensibilisation des populations jusqu'à ce que les usagers comprennent la nécessité de refuser les faux frais. Mieux revenir et saisir, prévenir les autorités que de continuer. On va, on va revenir vers vous le temps de donner la parole à, Bizo. Bizo, euh, Bizo Ibrahim, euh, en cas de non-respect de ce protocole, quelles sont les voies de recours Bon, en cas de non-respect de ce protocole, euh, vu que la situation se passe à la frontière, si lui, le victime, ou la victime, les victimes, je parle de passagers, s'il s'agit d'un bus inter-État qui traverse, il est soit affiché et fixé à la frontière avec un refus d'entrée dans le pays d'origine, il a droit de porter plainte. Il a droit de porter plainte parce que dans, dans les cinq droits de citoyens CDAO reconnus par ce traité, il y a droit à la justice, recours à la justice communautaire. Il a droit. S'il a été maltraité, malgré qu'il a ses papiers, justifié. Il peut bel et bien euh, euh, euh quelqu'un qui a quelqu'un qui a été euh, arrêté au niveau de la frontière de Danissa, où est-ce qu'il peut porter plainte, par exemple Il paiera, il fera en sorte, soit il retourne chez lui, il profile, il, il, écrit la, en fait la requête pour, pour, pour, décrire la situation de frustration, de tracasserie qu'il a vécue, et il porte ça à sa justice qui transférera le dossier au au pays qui, qui, qui, qui l'avait, qui l'avait euh, euh, cette, euh, cette, cette situation. Donc, en fait, c'est un droit reconnu par tous les 15 États membres. Beaucoup, beaucoup de passagers pensent que ça, ça n'aboutit pas. Très bien. Bon, par rapport à cela, pour le, je, je, vais essayer de vous donner brièvement des mesures qui sont actuellement en train d'être prises qui a été lancées dans cinq pays, y compris le, le, la Côte d'Ivoire. Donc il y a le Niger, il y a le Mali, il y a le Burkina, il y a le Togo et il y a le Bénin. Il s'agit d'un mécanisme. C'est l'espace UEMOA Non, c'est la CDAO. C'est la CDAO parce que tous les pays sont concernés. Il s'agit du mécanisme de suivi de bus inter-État de la CDAO. Ce mécanisme, c'est un nouveau projet financé et, euh, conçu sur le modèle ivoirien qui permet aux passagers, aux passagers de bus, surtout qui sont à règle, le bus des grandes compagnies, et ils sont tous, ils sont au nombre de neuf aujourd'hui qu'on a recensé qu'on a sensibilisé, il y avait eu le lancement en, 2015 de ce mécanisme-là. Ce bus existe dans toutes les compagnies aujourd'hui à Niamey. Si tu veux, tu pars, tu arrives, tu dis que tu veux voyager dans le bus c'est CDAO, on va te dire voilà, c'est disponible. Ce bus a un, aspect. Vous rentrez dans ce bus avec vos papiers réglementaires, il n'y a qu'un seul contrôle à la frontière, euh, disons au garage de départ et il n'y a qu'un seul contrôle à la rentrée du pays d'accueil. Donc, c'est pour réduire ce problème de tracasserie, de perte de temps qu'on a créé ce mécanisme. Il existe, c'est une des mesures actuelles que la CDAO avait prise et que nous, nous sommes en train de de superviser et d'accompagner. Bisous Ibrahim, nous allons donner la parole au secrétaire <laughs> général euh, euh, du syndicat des importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, Chebou Est-ce que vous avez une fois porté plainte euh, contre ces, gens de tracasserie Non, nous ne pourrions pas porter contre. Il y a des pays qui ont donné même des numéros verts il y a des moments, à un moment donné, des, numéros verts, par exemple. comme le Bénin et autres, il y a des numéros verts qui ont été distribués pour dire vous pouvez appeler à tout moment. Mais il y a des moments où on, vous appelez, on ne vous répond pas. Et quand vous dites de revenir, quelqu'un qui est arrêté à 2 heures du matin ou 3 heures du matin, et ce n'est pas seulement au poste frontalier qu'on contrôle. Souvent, c'est eh, au bon milieu du parcours et dans une zone d'insécurité. On vous arrête. Au lieu de s'occuper de la sécurité, ils vont commencer à arnaquer les gens. À 2 heures du matin, où vous allez faire recours. Par exemple, un Nigérien qui a quitté et que c'est peut-être dans la bourse de Parakou, on l'arrête. Il ne peut pas revenir à Niamey à 2 heures du matin. L'autre aspect que je voudrais eh, évoquer, eh, le bus scellé dont, dont, vous parlez. Donc, normalement, c'est lutter contre le temps et le gain, le gain facile. Maintenant, pour le bus scellé, vous pouvez passer 6 heures, 7 heures ou 8 heures de temps ceux qui empruntent le bus ne vont pas me contredire avant que euh, le truc soit scellé. Merci, messieurs. On se retrouve dans un instant. Avant de passer à la troisième euh, partie, à la troisième et dernière partie de ce forum, écoutez d'abord le secrétaire général du gouvernorat de la région d'Agadez, Yahya Goudi, la ville d'Agadez qui est devenue un passage incontournable des migrants subsahariens en destination de la Libye très librement. Peut-être qu'ils seront mieux, mieux, placés pour répondre parce que tous ceux qu'on rencontre ici, qui viennent par Zander ou par Tawa, chaque jour, c'est des centaines de migrants qui viennent ici. Ils sont considérés comme des Nigériens et ce n'est qu'à la sortie là-bas, à la frontière du Jadoka, on constate qu'ils vont exactement en Libye, que souvent ils sont refoulés ici et pour des raisons que tout le monde connaît, pour des raisons de sécurité. Parce que c'est déjà souvent, souvent qui sont abandonnés dans le désert et ils meurent là-bas ou bien il nous faut mobiliser des, forces de et de sécurité pour aller les chercher et ça pose problème. Imaginez quelqu'un qui apprend qu'il y a 80 ou 100 et quelques migrants abandonnés entre Puy d'Espoir et Durkou, ou bien entre Achagor et Durkou. ça pose un problème, n'est-ce pas, de responsabilité. Ici, nous, on ne peut pas rester les bras croisés. Donc, il faut miser les FDS, même alors qu'ils sont là-bas en train de faire des patrouilles pour la protection du pays. Il faut les mobiliser. Ce n'est que quand on constate qu'ils vont effectivement Libye qu'ils sont arrêtés. Et là aussi, c'est pas pour les abandonner, c'est pour les ramener à Agadez, pour qu'ils changent d'avis ou bien pour qu'ils soient pris en compte par l'OIM, l'Organisation internationale de la, migration. Yahya Gaudi, le secrétaire général du gouvernorat de la région d'Agadez. Euh, Ibrahim, vous venez là de suivre le secrétaire général du gouvernorat de la région d'Agadez par rapport aux questions d'immigration. Euh, quel commentaire rapidement oui, pour euh, la migration, aujourd'hui, c'est justement devenu un, phénomène dont tous les pays sont en train de lutter. C'est la migration irrégulière surtout, il parle. Irrégulière, ça, ça sous-entend que les voyageurs ou les migrants n'ont pas d'identification, n'ont pas de documents de, voyage. Et, pourquoi, selon vous, rapidement euh, Selon moi, justement, c'est un choix qu'ils ont fait de ne pas faire d'abord pour échapper à un certain nombre de choses, parce qu'ils préfèrent toujours suivre les voies illégales, les, voies, les, voies, du désert. Donc, euh, ils ne veulent pas s'identifier pour arriver à l'aventure. C'est des vrais aventuriers. Là, nous sommes vraiment désolés sur ce combat on est obligé de continuer la sensibilisation pour que cette immigration irrégulière soit réduite à néant ou bien euh, transformée en immigration régulière, c'est que le migrant arrive à faire leur identification. Monsieur Raphaël, euh, rapidement, euh, une réaction par rapport à l'intervention du secrétaire général du gouvernement d'Agadez. rapidement. il, faut, tout de même savoir qu'il y a deux types de migration. Hein. La migration interrégionale, donc qui concerne les 15 États membres de la CDAO. Ces migrants qui arrivent jusqu'à la frontière de la Libye ou d'Agadez, le Niger ne peut pas les refouler parce que le, Niger est, a signé, a ratifié le protocole sur la des personnes et des biens. Donc, jusqu'à la frontière, le Niger est obligé de respecter ces disposition de, la sur les personnes et des biens. Maintenant, à l'autre côté de la migration, donc frontière Niger-Libye, les migrants qui traversent maintenant, c'est là le problème. Vous voyez Donc ça pose un point vraiment crucial pour le Niger. D'un côté, nous avons les textes sur la libre circulation des personnes et des biens. Les États membres, les, les, ressortissants des États membres ont le droit de circuler au Niger jusqu'à la frontière. Chez Buchimbiano, rapidement, euh, quelques eh, commentaires par rapport. Il faut, euh, savoir pourquoi ils sont en train de quitter. Moi, je pense que la CDAO, vous percevez de l'argent sur les importations l'argent, au lieu de l'utiliser pour des conférences et autres, créer l'emploi et aussi, il faut voir par quel mécanisme vous allez intégrer tout le monde dans l'espace. Que personne ne, quitte. Si ça va chez toi, euh, tu ne vas pas quitter. Et aujourd'hui, par exemple, si la CDAO réfléchit, à Niamey, on peut amener un conteneur de riz, un, euh, euh, un navire à Niamey, en passant par l'océan Atlantique qui est au Nigeria, je ne vais pas dire un navire qui peut prendre 25 ou 35 000 tonnes, mais 5 000 tonnes, on peut, on peut, vous, pouvez faire en sorte que Niamey eh, eh, eh, reçoit 5 000 tonnes de riz ou 5 000 tonnes de, de n'importe quel produit importé. Et c'est ça qui continue jusqu'en Guinée. C'est par rapport à ces trucs-là que vous allez réfléchir. L'immigration dont on dit là, c'est l'Europe qui ne veut pas c'est l'Europe qui ne veut pas que les gens arrivent là-bas. Mais vous aussi, réfléchissez par rapport à comment vous allez retenir les gens. Il ne faut pas seulement suivre le, dictat Merci, messieurs, merci, messieurs. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Bizo Ibrahima, euh, chargé de la communication et de, la documentation du bureau national de la CDAO au Niger. Nous étions également avec euh, Raphaël Dade Adamou, il est spécialiste des questions de la libre circulation des personnes et de leurs biens. Avec nous également dans ce studio, Chambiano Chebou, secrétaire général général du syndicat des commerçants, importateurs, exportateurs et grossiers du Niger. Merci à vous tous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous euh, demain, même heure, même fréquence. Euh, merci et à demain, Inch'Allah. Demain, nous parlerons dans ce forum de la sécurité alimentaire au Niger avec Amadou Moumouni. Bonne soirée à tous. Au revoir.